le forum du studio le forum du le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio Bienvenue à tous, euh, c'est l'heure de votre émission quotidienne Le Forum du Studio Kalangu, une émission qui vous éclaire sur divers sujets et qui vous permet de trouver des réponses aux questions que vous vous posez au quotidien. Le thème d'aujourd'hui est Modernisation de l'État du Niger, pourquoi et quels sont les obstacles qui renferment le concept modernisation de l'État, quels sont les indicateurs qui font dire qu'un État est moderne, pourquoi moderniser et pour quels résultats, quels sont les rôles joués par euh, l'Agence nationale pour la société de l'information dans cette politique de modernisation de l'État Comment parvenir à moderniser l'État et avec quelles ressources Pour répondre à toutes ces questions et bien d'autres, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Ibrahim Gimba Seydou, directeur général de l'Agence nationale pour la société de l'information. Monsieur le directeur général, bonsoir. Oui, bonsoir. Merci d'avoir bien accepté de participer à cette émission. Merci pour euh, l'invitation, c'est un réel plaisir. Et à noter que pour cette émission, nous avons également invité le Haut-Commissariat à la modernisation de l'État euh, qui n'a pas fait suite euh, de notre invitation. Au micro, Alassane Kouzi Mohamed. Bienvenue à tous dans le forum d'aujourd'hui qui est consacré à la problématique de la modernisation de l'État, une mission de service public conséquent et compétitif qui cadre ou s'adapte à l'évolution. Ce sont là Quelques mots qui peuvent caricaturer l'État moderne. Pour plus d'éclairage, nous donnons tout de suite la parole à notre invité. Mais avant cela, euh, je vous demanderai, monsieur le directeur général de l'ANSI, l'Agence nationale pour la société de l'information, de vous présenter à nos auteurs et de présenter brièvement votre service, l'ANSI, et ses principales missions. Merci encore une fois pour l'invitation. Pour nous, c'est un plaisir de pouvoir euh, participer à ce genre d'émission qui consiste à euh, porter auprès du grand public, auprès de nos concitoyennes et concitoyens, les différentes activités qui, qui, se passent dans notre cher pays. Je suis Ibrahim Aguimba Saïdou, comme vous l'avez dit, directeur général de l'Agence nationale pour la société de l'information ANSI. ANSI est une structure qui a été euh, créée il y a un peu plus d'une année, en fait, qui a succédé euh, au commissariat à l'informatique et aux nouvelles technologies d'information et de la communication, qui existait depuis quelque temps, que j'ai eu l'honneur de prendre la tête il y a à peu près un peu plus de deux ans. Donc l'agence euh, euh, que je préside aujourd'hui est en charge vraiment de la transformation, j'allais dire, numérique du pays. C'est un des outils que le gouvernement a jugé nécessaire euh, pour bien accompagner toute la transformation qui se passe au sein de notre pays. Monsieur le directeur général, qu'entendez-vous par modernisation de l'État C'est un terme euh, très vaste. Mm. Donc c'est pour ça, j'imagine que pour l'émission d'aujourd'hui, euh, vous aviez aussi invité le haut, le commissariat, le haut commissariat, qui n'a pas pu être avec nous. qui malheureusement, donc, à cause de leur agenda, n'ont pas pu être présents aujourd'hui. Donc c'est assez, assez vaste et vous voyez bien qu'il y a beaucoup d'acteurs en fait, qui sont concernés par cela. Pour ceux qui nous concernent, si vous voulez, on joue euh, bien entendu un rôle aussi dans, dans ce processus. Donc déjà, pour moi, c'est un processus. Mhm. Et euh, deux, c'est euh, un processus vraiment qui devrait conduire l'État, l'administration à trouver les moyens les plus efficients pour travailler avec la plus grande efficacité, mhm. avec une optimisation des ressources, et les ressources, autant les ressources humaines que les ressources euh, euh, financières et matérielles, et aussi un processus qui euh, devrait aboutir à rendre l'État, l'administration plus agile. Parce que n'oubliez pas que l'État, en fait, est prestataire de services quand même. C'est tout simplement un prestataire de services publics. Donc quand on parle de prestation de services, on parle euh, quelque part d'obligation de résultat, on parle euh, d'optimisation, surtout on parle d'adéquation mm-hmm. euh, de ces services donc vis-à-vis de la demande, vis-à-vis donc de l'attente que nos populations espèrent. Donc pour nous, cette modernisation, c'est en résumé vraiment l'optimisation de ce que nous avons mm. comme ressources, comme système euh, pour pouvoir mieux servir les populations. Alors, quel est l'intérêt pour un État d'être moderne ben Écoutez, c'est ben, déjà, ça lui permet euh, je pense, d'optimiser encore une fois euh, ses ressources, surtout des pays comme les nôtres qui, qui des ressources assez rares. Donc il faudra optimiser. Donc ça, c'est déjà un gain. Mhm. Mais surtout, je pense qu'en étant moderne aussi, on, on assure euh, un dialogue permanent avec les populations. Euh, donc il y a un retour de, comment on appelle, euh, de la part des populations qui, qui va permettre d'ajuster le service qui est offert aux populations. Parce que, in fine, le ce sont les populations qui, qui sont juges. Et donc, en se modernisant, ça nous permet d'avoir une, euh, disons, adresser les, problèmes auxquels font face les, populations de la façon la plus efficace. Ça, c'est d'un côté. Mais de l'autre côté aussi, euh, mm-hmm. quand je dis l'autre côté, c'est un peu peut-être le côté externe. Mm-hmm. Euh, le, pays ne vit pas en autarcie. Donc il faut qu'il soit en communauté. En communauté donc, globalité. absolument. Mm-hmm. Donc en se modernisant, ça permet aussi d'avoir une interaction beaucoup plus efficace efficiente avec nos différents interlocuteurs, que ce soit d'autres États, que ce soit des partenaires au développement, que ce soit aussi, et, ça c'est, je pense qu'il faudrait le noter, mm. euh, avec le secteur privé. Vous voyez bien les efforts que euh, le Niger fait euh, pour bien se classer ou augmenter, en tout cas améliorer son classement au, niveau, au sein de, Doing Business, mm-hmm. donc pour le climat des affaires. Donc ça, c'est un lien aussi avec la modernisation de l'État. Parce que en arrivant à faire des progrès dans ce sens, donc, euh, euh, qui consiste euh, d'une part à améliorer les différents outils que nous avons. ça va augmenter l'attraction des partenaires parce mm. qu'ils se diront, tiens, ce pays est moderne, ce pays utilise des règles ou bien des approches que nous connaissons, avec lesquelles nous sommes familiers. Donc, en venant investir dans ce pays ou bien en interagissant avec ce pays, nous ne sommes pas perdus, nous avons des repères euh, qui nous rassure. Mm. Et, vous voyez un peu, euh, ça, euh, c'est des avantages palpables parce que mm. ces investisseurs, quand ils viendront, très souvent, c'est sur le long terme. Mm. ça pousse à la création d'emplois. Et puis, ça devient quelque part aussi des, des, ambassadeurs de notre pays dans leur pays parce que en étant un État moderne aussi, on peut améliorer euh, l'exportation de notre savoir-faire ou bien de nos produits. Alors, si on me posait la question de savoir si le Niger est un État moderne ou en voie euh, de modernité Non, je pense que déjà la modernisation, pour moi, c'est un processus. Je ne pense pas qu'il y ait un État qui puisse se qualifier de moderne, parce que même... Euh, il s'agit d'un processus pour continuel. pour, moi, c'est un processus continuel, tout mm. à fait. je pense que des fois, il y a un amalgame. On pense que parce qu'un pays peut-être et entre guillemets avancé sur le plan technologique ou autre, c'est un pays qu'on considère moderne, mhm. euh, qu'effectivement il est moderne. Or, même ce pays, par rapport à ses propres populations, quand même, euh, doit toujours continuer à avoir cette interaction, à essayer d'améliorer les systèmes et autres. Vous allez être étonné, il y a des pays aujourd'hui très avancés ou très riches qui ne sont pas aussi modernes parce que les procédures qu'ils utilisent sont encore archaïques. Mm. Pourquoi Parce mm. qu'ils ont investi énormément d'argent dans des systèmes qui sont aujourd'hui ou des procédures qui sont dépassées. Il y a des pays, à cause de leur complexité, pour euh, effectuer quelques changements que ce soit, ça peut prendre des années. Euh, donc euh, ça, je pense que c'est quelque chose à avoir à l'esprit. C'est un processus. Donc au niveau du Niger, nous sommes dans ce processus-là. Et je pense le fait que un haut commissariat a été érigé rien que pour ça. Mm. ça. ça. dénote quand même de la volonté que les autorités ont pour que euh, cette, euh, comment dirais cet exercice-là mm. soit euh, accompli de la meilleure façon possible. Alors, quand même, sur quels paramètres peut-on poser le regard pour se dire que tiens, ce pays est véritablement engagé sur le processus de modernisation mais ben, moi, je pense que euh, c'est un ensemble d'éléments. On peut, on peut regarder peut-être des réformes déjà qui sont, qui sont effectuées, donc euh, des réformes et au niveau des euh, peut-être des fois des diverses lois qui sont qui sont qui sont qui sont prises mmh. pour justement faciliter la fourniture de certains types de services. On peut voir aussi euh, les réformes qui sont effectuées souvent au niveau de l'administration, donc euh, au niveau des ministères ou bien au niveau de l'interaction entre les différents ministères. Par exemple, vous voyez aujourd'hui, par exemple, au Niger, qui sont formés, surtout autour euh, de notre plan de développement économique et social, le PDS. On voit bien que l'organisation est faite par Paul. Donc pour moi, ça, c'est des, euh, c'est des signaux très forts, mm. donc, euh, très fort donc mm. ça, ça, pousse à une certaine réforme mm. ou ça pousse aussi à une certaine optimisation des ressources qu'on a. Euh, ces pôles qui existent, ça, ça, nous permet de mieux adresser des questions pertinentes de développement. Quand on regarde la SDTCI aussi 2035, euh, qui donne les perspectives ou la vision que le pays a, je pense que c'est ce type d'éléments euh, qui témoigne de la volonté donc d'un pays à se moderniser et puis des, euh, qui témoignent des efforts qui sont, qui sont en train d'être accomplis pour le faire. En plus de cela, comme je le disais tantôt, le Niger un euh, au commissariat dédié à cela. Mhm. Euh, le Niger a une structure comme l'ANSI aussi. L'Agence euh, nationale pour la société de l'information. Absolument, mhm. donc euh, dont le rôle est de euh, travailler euh, euh, conjointement donc avec tous ceux qui a comme acteurs mhm. pour contribuer à cette modernisation. Est-ce que l'utilisation des technologies de l'information et de la communication aussi fait partie des paramètres non négligeables qu'il faut prendre en compte Absolument, c'est même essentiel, j'allais dire, parce mhm. que c'est un des outils, je dirais pas le plus important, mhm. mais un des outils importants euh, euh, qui, qui, puisse permettre justement euh, de d'arriver à cette modernisation. Je disais tantôt que on, voulait comme un, des, peut-être une des références, c'est la facilité avec laquelle on interagit avec nos populations. Les technologies de communication, en fait, nous permettent de le faire. Donc, tout ce qu'il y a comme système d'information, on voit, et c'est pas qu'Internet, hein, c'est différents outils autour de ça mhm. qui, qui permettent euh, de délivrer aux populations des services de façon efficiente et puis d'avoir donc des plateformes qui nous permettent aussi d'avoir les, les retours nécessaires pour pouvoir ajuster nos, nos, approches. Donc euh, absolument, euh, la technologie est au centre de cela, mais ce qui est important, la technologie devrait venir, j'allais dire, dans, dans, un deuxième, euh, dans une deuxième étape. D'abord, c'est vraiment définir les objectifs. Mhm. Des fois, euh, malheureusement, c'est le cas, beaucoup de pays euh, l'ont appris à leur dépens, en pensant qu'il suffirait de déployer des machines mhm. pour parler de modernisation. Et on mhm. le voit, on le constate dans beaucoup de pays. Tout ce qu'on fait dans la plupart des cas, malheureusement, c'est remplacer la machine à, écrire ou autre avec euh, un ordinateur. Je pense que ça va même à l'encontre de la modernisation de mon point de vue. Mhm. Mm. Quels sont, selon vous, les problèmes ou insuffisances qui se posent, aujourd'hui au Niger en termes de, modernisation, notamment dans cette lancée, dans ce processus de modernisation, les obstacles ben, les, les, obstacles, je pense, euh, ils sont euh, peut-être essentiellement autour des ressources. Euh, il y, a une chose que beaucoup de gens euh, négligent ou ignorent tout simplement. le Niger est vraiment une exception. ce que j'entends par là, c'est que c'est un pays qui est difficile à servir, entre guillemets. D'abord, nous avons un territoire qui est très vaste, mais surtout, c'est que nous avons une très très faible densité de population. Mm. Donc aujourd'hui au Niger, pour, euh, euh, pour moderniser les, choses au, sens euh, donc dans le, de, de nos discussions, mm-hmm. on a besoin d'infrastructures qui soient disponibles auprès de quasiment toutes les populations, puisqu'il mm. faut les servir. Mm. Niamey ce n'est qu'à peine 6% de la population du Niger. Mm. La plupart des capitales africaines ont 35, 40, voire même plus de 50% de leur population qui vit dans les villes. Mm-hmm. Et ce qui n'est pas le cas du, du, Niger, où nous sommes essentiellement une population rurale. Et en plus d'être rural, donc nous avons plutôt des poches de population. Donc pour moi, l'infrastructure est euh, un des soucis ou bien des obstacles euh, auxquels on doit faire face, un des défis, j'allais dire. Euh, donc, parce que le pays est grand, parce que les populations sont dispersées, il faut beaucoup, beaucoup de ressources et financières et humaines pour pouvoir mettre tout ça en place. Donc, je pense que c'est notre principal défi de mon point de vue, mhm. parce que les euh, en termes de, je pense, de réforme ou bien d'orientation. Je pense qu'il y a un travail formidable qui est en train d'être fait. Euh, donc c'est dans la mise en œuvre. C'est pour ça que, par exemple, au niveau de, euh, de l'agence que, que, que, que, je préside, par exemple, nous avons un programme que nous sommes en train de lancer, donc appelé les villages intelligents, mhm. dont vous avez certainement entendu parler, qui consiste justement à essayer d'amener des infrastructures dans chaque village administratif au moins du Niger. Donc ça, ça va contribuer à la modernisation. Et quand vous parlez d'infrastructures, vous faites allusion à quoi ben, C'est un ensemble d'éléments. Donc les infrastructures, en fonction des villages, ça peut être une bretelle de fibre optique, ça peut être euh, la radio, mm. euh, les faisceaux, mm. ça peut être euh, des vaisseaux, donc des satellites. Mm. donc en termes d'infrastructures, c'est vraiment amener dans ces villages un point de connexion au, reste du pays. Euh, euh, aujourd'hui, vous le savez certainement, parce que vous êtes beaucoup dans les zones rurales. Il n'y euh, a pas d'électricité dans la plupart des villages, n'est-ce pas Et beaucoup de villages ne sont pas bien couverts en termes de couverture téléphonique ou bien de GSM. Donc c'est ça qu'il faut pallier. C'est ça qu'il faut pallier, pardon. Donc avoir ces infrastructures pour que maintenant les populations qui vivent dans ces zones puissent bénéficier des services euh, de l'État de façon plus efficiente et efficace. Par rapport toujours aux obstacles, est-ce que euh, euh, l'aspect comportemental ne fait pas partie des obstacles qui peuvent s'ériger devant ce processus de modernisation Vous savez, c'est des choses à prendre en compte. Hein. c'est pour ça qu'on parle aussi quand même de la gestion de changement. Mm. Hein. et, et c'est pas qu'au Niger, partout. Encore une fois, même euh, dans des pays euh, qui, entre guillemets, semblent euh, plus modernes, mm. c'est des problèmes qui, se posent. Quand on amène quelque chose de nouveau, mm. euh, il faut trouver la meilleure façon, le meilleur angle pour le présenter. Nos parce qu'il y a toujours des résistances. Oui, oui, ça c'est des résistances souvent parce que tout simplement par rapport à l'inconnu, on a des appréhensions, donc c'est mm. tout à fait humain. le danger, c'est de penser Peut-être que ça va être une de vos questions, mhm. parce que peut-être nos populations sont pour la plupart analphabètes, que ce soit un, problème. Moi, je ne pense pas. Mhm. Euh, je suis fondamentalement convaincu que euh, les gens s'adaptent très très rapidement. Euh, l'être humain a un instinct de, survie extraordinaire. Mhm. nos populations, aussi analphabètes soient-elles, si nous amenons ces solutions, ces services euh, où elle se trouve, elle va s'adapter. Donc c'est à nous de vraiment nous assurer que euh, l'approche est bonne tout simplement. Euh, donc pour moi, ce pas pas le principal obstacle. Je pense que le principal obstacle, c'est plus vraiment comment est-ce qu'on peut amener ces infrastructures dans ces villages. Au-delà de ça, il y a un accompagnement à amener, à voir comme partout ailleurs et les populations seront euh, s'adapter. Et, par rapport à cette question de, population rurale, population mhm. analphabète, mhm. il y en a qui pensent que ces dernières ont des savoirs à valoriser, ont des savoirs qui peuvent, qui peuvent apporter quelque chose euh, dans, dans, ces genres de processus. Absolument. Elles ont même, c'est même pas quelque chose, elles ont beaucoup à apporter. Mm. Euh, moi, je suis convaincu, hein, et c'est, fondamentalement, c'est à la technologie de s'adapter aux, aux, personnes, pas le contraire. Mm. Et, c'est pour ça que je me dis que le travail à faire, c'est plutôt cela. Euh, en amenant ces technologies dans des zones, on doit prendre en compte euh, la entre guillemets culture, le mode de vie de ces populations mm. et euh, euh, introduire la, technologie en conséquence. Parce que ce qu'on voudrait, pour moi, la technologie, c'est comme une espèce de fertilisant. Mm. On voudrait, en l'amenant, essayer d'augmenter, entre guillemets, le PIB du village. Vous voyez ce que je veux dire et encore une fois, revenir sur ce mot que vous aimez tant, mhm. optimisation. absolument. de, optimisation des, façons de faire de, de la production. Absolument. Parce que, euh, vous savez, des fois, des contrats sectoriels. Regardez comment euh, nos produits, très souvent artisanaux ou autres, sont prisés partout. C'est-à-dire, or, ces produits viennent des, des villages. C'est-à-dire qu'il y a un certain savoir, un certain art qui est là. Donc, c'est ce qu'il faut valoriser. Et ça, ce n'est qu'un aspect. Euh, parce qu'on a tendance, et, ça là-dessus je voudrais insister, euh, à négliger le côté intellectuel. Euh, capacité intellectuelle des gens dans les villages, qui pour moi est extraordinaire parce que l'innovation va être là-bas. on a lancé par exemple, nous, Itakara, mm. la compétition, on est le seul pays à le faire en Afrique, mm. pour détecter justement ce talent partout et, surtout ce talent qui se trouve dans les, euh, dans ces zones éloignées de la capitale, dans un premier temps, et puis dans un deuxième temps, au fur et à mesure, donc on va euh, améliorer la, comment on appelle la, gestion de cet exercice, aller dans ces zones euh, reculées, parce qu'on a un talent incroyable. On voit des gens qui et c'est ça la, la, beauté de l'être humain, parce qu'en fonction de l'environnement dans lequel il, il est, il, il, il s'adapte, il, trouve des moyens même rudimentaires n'est-ce pas, d'améliorer sa survie. Donc, si on amène euh, des outils technologiques, ça pourrait euh, simplement permettre, si vous voulez, d'optimiser, comme vous le dites. <laughs> Euh, bien, monsieur le directeur, aujourd'hui, l'ANSI mhm. participe à ce processus mhm. de modernisation. Mhm. Est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails sur les actions phares ou les projets phares sur lesquels ANSI travaille aujourd'hui mhm. dans cette optique, dans cette perspective de, modernisation mhm. de l'administration de l'État. Absolument. Notre approche fondamentalement euh, est développée autour du plan stratégique Niger 2.0 qui a été mis en place, donc qui est partie intégrante du PDS. Mm. d'ailleurs le slogan est intéressant parce qu'au niveau du, de Niger 2.0, on mm. part de la marche vers la société de l'information, mhm. la marche vers la société de la connaissance. Mhm. D'accord Donc nous, euh, dans cet exercice, nous voulons faciliter l'accès à l'information et faciliter l'accès à la connaissance pour nos populations. Mhm. Euh, ce plan est développé autour de quatre axes. Le premier axe, qu'on appelle le e-gouvernement, qui consiste euh, essentiellement à moderniser l'administration d'accord, euh, la modernisant sur le plan euh, technologique et puis au niveau euh, des, procédures, donc en collaboration avec tout ce qui se fait dans ce secteur. Mhm. Par exemple, de façon concrète, nous visons à avoir une administration zéro papier d'ici 2028. Une administration où euh, tout, s'est se fait, par l'électronique, où on n'a pas besoin de, de trimballer des, des Absolument, absolument. Mm. Et, ça, c'est atteignable. Mm. Je, je, je, pense que si euh, nous, exécutons bien ce programme, on pourrait même le faire avant. Mm-hmm. Pourquoi Parce qu'on a une population essentiellement jeune. Mm-hmm. Donc, ce sont des jeunes qui vont se retrouver de plus en plus dans l'administration, qui, eux, sont déjà familiers ou à ces outils, donc qui pourront vite les utiliser. Ça, c'est le premier accès. Que l'administration elle-même soit sans papier, et puis il y a bien d'autres euh, euh, solutions qui vont être déployées, par exemple la messagerie gouvernementale, mhm. que dans nos administrations euh, les agents aient une messagerie professionnelle. Mhm. Donc ça, ça va permettre quoi à l'État de garder, d'avoir une mémoire. Mhm. La, la, deuxième chose toujours au niveau du gouvernement, c'est l'interface entre l'État ou l'administration et les concitoyens ou bien et les entreprises. Donc celle-là, ça aussi l'a moderniser en permettant euh, qu'à travers des supports numériques, que vous, citoyens, par exemple, puissiez faire certaines requêtes, par exemple pour votre casier judiciaire, ou, des, ou bien vos, vos, demandes, euh, ou bien payer vos, vos, taxes ou impôts, que vous puissiez le faire de façon dématérialisée. Donc ça, ce n'est qu'un euh, aspect. Donc le e-gouvernement. Et avant de continuer, mhm. est-ce qu'on peut espérer aussi voir des conseils des ministres, pourquoi ah. pas virtuels, qui, ah, ah, ah. s'animer Absolument, absolument. Même là, c'est dans, dans, dans, euh, dans... dans, l'approche tout à fait, savoir ce qu'on appelle euh, le e-conseil. Mhm. Euh, donc permettre là aussi que le conseil des ministres, se fasse comme le conseil de cabinet. Mm. sans papier, que ça mm. se fasse à travers donc que ce soit des tablettes ou mm. des ordinateurs et autres. Euh, donc ça, ça va euh, euh, permettre que ces rencontres se fassent de façon plus efficiente, n'est-ce pas, où on pourra passer beaucoup plus de temps sur le contenu parce qu'on on pourra s'assurer que tout le monde aura en tout cas eu le temps de, de, prendre connaissance euh, suffisamment à temps. et il y a le gain de temps aussi. Il y a le gain de temps, et puis il y a les, coûts, il y a, beaucoup d'autres choses, et puis il y a la mm. traçabilité. C'est Ça, c'est l'autre important. Euh, autant au niveau du conseil de cabinet, conseil des ministres qu'au niveau de l'administration c'est introduire la traçabilité. On va savoir aujourd'hui, euh, malheureusement, souvent quand vous allez au sein de l'administration pour demander ou bien le suivi d'un document, vous faites un parcours de combattant. Mmh. On dit non, on quelque part, on ne sait même pas où le Voilà, on ne sait même pas où il est, ou bien il manque tel document parce que quand c'est passé entre deux services, oui, quelque part. Donc ça, ça, vous voyez donc ce que ça donne comme. Donc ça, c'est au niveau vraiment du gouvernement, de du, gouvernement, de euh, l'administration. Oui. Le deuxième axe, c'est les villages intelligents, donc dont je parlais tantôt. Et c'est quoi, de quoi il s'agit en fait Donc là, il s'agit, je le disais que euh, plutôt que notre euh, pays était essentiellement rural mm. et était euh, beaucoup de nos villages étaient désenclavés. Mm. Donc c'est pour cela que nous avons mis en place ce programme Village intelligent qui consiste à désenclaver numériquement Mm. les, villages administratifs euh, du Niger dans un premier temps, comme avoir une espèce de porte d'entrée mm. euh, du développement dans le monde rural. Mm. Donc, euh, comme je le disais un peu plus tôt, nous allons amener des connexions sous une forme ou une autre dans ces villages, mais surtout euh, nous allons le faire en nous assurant qu'un certain nombre de services viennent en même temps. Mhm. Dans nos villages, il n'y a pas suffisamment de médecins, ou il n'y en a même pas. Mhm. Donc, on va, à travers la technologie, faire des consultations à distance, par mhm. exemple. C'est le cas de Fachi qu'on a déjà connecté. On n'a pas suffisamment d'enseignants. Donc, là aussi, euh, à travers la technologie. Déjà, les enseignants qui sont dans les villages leur permettent d'avoir un renforcement de capacité, mais pour les élèves aussi, avoir accès à du contenu supplémentaire et puis même là à diminuer et graduellement éliminer euh, les documents physiques qui, pour un pays comme le Niger, en fait, euh, sont énormes et extrêmement coûteux, les distances mm. sont grandes, et, etc. Mm. Euh, amener aussi un, un, appui à nos agriculteurs et aux éleveurs, par exemple en mettant à leur disposition des informations météo ou bien le prix des les cours des marchés et autres. Dans, euh, donc sur les semences. Les semences et, même les centrales d'achat. Donc ça, c'est des informations utiles. Permettre euh, que, par exemple, d'enregistrer les naissances les, et autres, tout ce qui est état civil, déjà dans les Civil. Les actes d'état civil, Permettre aussi, euh, pourquoi pas, le paiement de, de pécule de façon électronique, parce que dans nos villages, euh, la plupart des agents de l'État doivent s'absenter à moins une semaine, sinon plus pour aller toucher leur salaire. Mm. Et ça, pendant qu'ils sont partis, les élèves ne sont pas enseignés. ou bien la clinique. Il y a beaucoup de services qui se trouveront bloqués. Voilà. Donc, donc en, en essayant d'amener tout ça en même temps, ça va nous permettre donc d'améliorer l'offre de services dans les villages et puis donc à ce moment de moderniser le village. Donc c'est essentiellement ce à quoi consistent les villages intelligents. Euh, quels sont les autres axes Les autres axes, donc nous avons le troisième axe euh, qui consiste à mettre en place une espèce de cité d'excellence. Donc c'est la cité de l'innovation et de la technologie. Nous sommes en train de finaliser des, euh, discussions avec un partenaire pour la mise en place de cette cité dès cette année qui va consister en fait à, être comme une espèce de centre d'excellence pour euh, euh, pouvoir, en euh, collaboration avec les différents acteurs, que ce soit les étatiques, partenaires au développement, les startups, les PME, et puis le secteur privé en général, développer des outils appropriés, adaptés à notre pays. Dans le cas de l'agriculture, par exemple, avoir autour du ministère de l'Agriculture et des trois N euh, les différents partenaires qui vont réfléchir mm-hmm. à des applications que nos euh, agriculteurs et éleveurs pourraient mieux utiliser. avoir mm-hmm. euh, aussi au niveau de cette cité l'accompagnement de tous ceux qu'on a comme start-up et PME pour pouvoir développer et accélérer surtout des, produits. avoir mm-hmm. des, centres de formation, parce que ça, ça, nous manque dans beaucoup de cas nos concitoyens et nos concitoyens sont obligés d'aller à l'extérieur, souvent en Côte d'Ivoire ou au Sénégal, pour se former. Donc on veut essayer d'avoir euh, euh, cette possibilité localement. Et le dernier axe, qui n'est pas le moindre, mhm. euh, ce sont des activités, j'allais dire, de promotion du numérique. parce qu'il faut continuer à sensibiliser les gens et puis à développer les outils et à mettre en place un écosystème. Nous avons, par exemple, euh, une activité qu'on appelle les journées portes ouvertes, mhm. euh, que nous organisons le dernier samedi de tous les mois. Nous sommes le seul pays, en tout cas à date en Afrique, à le faire. Et jusqu'aujourd'hui, vous, vous faites ça On le fait, on, a, on est déjà à notre 20e édition. Au niveau même de, de l'agence ou euh, Non, les fait, ce qu'on fait, c'est que nous, au niveau de l'agence, euh, euh, on, met beaucoup l'accent sur le partenariat. Donc, il n'y a quasiment aucune activité qu'on fait tout seul mm. parce qu'on se dit qu'on euh, n'est pas forcément les mieux placés pour porter ces différents projets, mais surtout, euh, on parle ici de mettre en place un écosystème, donc il faut faire de la place aux partenaires. Alors, ces portes s'ouvrent sur, l'ANSI ou sur les autres services de l'État Non, non, c'est même pas sur les services de l'État, c'est sur le rôle de la technologie au service vraiment des, citoyens. Par exemple, nous avons fait des journées portes ouvertes, par exemple, sur la religion et le numérique. Mmh. ou bien sur la santé et le numérique, l'agriculture et le numérique. Euh, notre prochaine, euh, euh, nos prochaines journées portes ouvertes auront lieu le 23 février. Mmh ça va être consacré aux enfants de moins de 15 ans. On va le faire dans quelques écoles de la capitale, aussi à l'intérieur du pays, à Agadez, Zender, euh, euh, Maradi, Tawa notamment. Euh, et le mois d'après, en mars, on va le faire pour les personnes handicapées. Donc là aussi, parce qu'il faut que la technologie soit un, un vecteur d'inclusion. L'autre activité que nous faisons, c'est Itakara. Euh, dont j'ai parlé plus tôt, donc qui est une compétition vraiment sur l'innovation. On veut détecter le talent nigérien partout où il se trouve. Euh, c'est une compétition qu'on organise annuellement. On la lance euh, vers le mois de juillet, et on procède à des compétitions au niveau de chaque région, mm. au niveau de la diaspora. Et après les finales régionales, les trois meilleurs sont invités à venir compétir euh, euh, pendant les, euh, activités des fêtes tournantes sous forme de hackathon, où donc là, vraiment, c'est la grande finale. Et les, lauréats reçoivent des, ah, ah. des appuis. Absolument. Donc, et, ça aussi, c'est bien à noter parce qu'au lieu de leur donner juste de l'argent, ce que nous faisons, c'est un accompagnement pendant au moins une année. Donc, c'est une activité qu'on organise avec la maison de l'entreprise. Et puis avec le centre incubateur SIPMEN. Pourquoi Pour pouvoir euh, accompagner ces porteurs de projets pour qu'au bout d'une année, ils aient euh, un produit fini et puis une entreprise, tout à ah. fait. Euh, monsieur le directeur général, il y a quelques mois, l'ANSI, en tout cas, a initié euh, les, universités d'été ici même à Niamey. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette rencontre et des principales recommandations qui en sont issues Absolument. Euh, donc ça, j'allais, justement en venir. Donc c'est une autre des activités qu'on fait pour la promotion du numérique. L'idée derrière les universités de la société de l'information, c'est euh, de faire, de rassembler euh, un maximum de Nigériens et de Nigériens. Donc pendant, on, le fait pendant les vacances parce qu'on se dit, là nous avons des concitoyens de la diaspora qui viennent en vacances et puis sur place, les gens sont un peu plus libres. Donc d'avoir des journées de réflexion pour, ben, parce on a, je vous assure, énormément de compétences. Donc dans les secteurs clés, parce que nous on se focalise surtout sur les questions de développement, donc d'avoir des thématiques qui soient discutées euh, entre Nigériennes et Nigériens, donc des, gens qui sont vraiment concernés par les, questions. Et puis, de faire des propositions. Donc, ça a été le cas. Donc, il y a, y a, un livre blanc sur lequel nous travaillons. Euh, il y a des recommandations qui ont été faites dans le domaine de l'éducation. Je vous donne par exemple des exemples de, de, de, recommandations. Sur, c'est sur, par exemple, l'introduction de l'informatique dans le système scolaire nigérien. Comment est-ce que on devrait euh, faire en sorte que euh, de l'école primaire jusqu'au lycée, que euh, l'informatique ou la technologie soit introduite. Quand mm. on parle de modernisation, on voit bien que si déjà au niveau de l'école, nos, enfants, nos, nos, jeunes frères très tôt apprennent à manipuler ou à manier les, outils informatiques pour euh, acquérir la connaissance, euh, euh, rapidement, on arriverait à une masse critique qui va nous permettre maintenant d'avoir vraiment un impact beaucoup plus important dans ce changement que nous voulons tous, dans la transformation de notre pays, de notre environnement. Quelles recommandations sur le domaine, par exemple, des, des entreprises oui, au niveau des entreprises aussi. Euh, et D'ailleurs, euh, vous faites bien de poser la question parce qu'au mois de mars, nous allons avoir une activité mars bien prochain. Mars prochain. C'est de euh, voir comment est-ce qu'on peut créer le meilleur environnement pour que les startups et puis les PME nigériennes, par exemple, aient accès au marché ou bien accès au financement. Donc nous sommes en train d'organiser en collaboration avec les incubateurs euh, Oasis en particulier et SIPMEN euh, euh, une activité au mois de mars où nous allons convier les différents acteurs, autant au niveau de l'État qu'au niveau du secteur privé, y compris la Chambre de commerce, le patronat et les incubateurs et autres, pour ensemble discuter de comment est-ce qu'on saurait le faire. Par exemple, est-ce qu'au niveau euh, des lois et règlements, il y a des ajustements à apporter. Euh, est-ce que même au niveau de l'organisation de ces startups, je vous donne un, constat, c'est que beaucoup de nos startups, par exemple, sont très fragiles parce que elles dépendent que d'une personne. Mmh. Donc nous, nous sommes en train de les encourager à travailler en équipe. Donc il faudrait qu'on trouve les la meilleure façon de le faire. Donc ça, c'est euh, par exemple du concret, parce que si on arrive à créer un environnement qui soit plus propice pour accompagner cet entrepreneuriat euh, en, tenant compte du fait que euh, nous sommes quand même, euh, comme on appelle, nous, devons tenir compte de la globalisation et puis des différents engagements et, que l'État, que le pays a vis-à-vis de ses partenaires extérieurs et puis vis-à-vis de la communauté internationale. Mm. On, on, crée les meilleures conditions pour que les entrepreneurs nigériens, en tout cas, saisissent euh, la chance qui leur est offerte et, trouver les meilleures façons, la meilleure façon de les accompagner. Mm. Euh, vous avez parlé du livre blanc, mm. euh, c'est ce document qui mm. recueille toutes les recommandations issues des universités d'été. Est-ce que ce livre blanc est déjà disponible et sous quelle forme et comment y accéder D'accord. Il n'est pas, il n'est pas euh, euh, encore disponible, disons finalisé. Mm. Euh, dans une première phase, ce que nous avons fait, donc, c'est recueillir les ces différentes recommandations parce qu'on a eu des thématiques qui ont été mises en, place, des groupes thématiques, excusez-moi, mm-hmm. qui ont donc produit chacun à son niveau donc des comment on appelle donc des recommandations et des suggestions. Donc nous avons mis euh, pour le moment, mais nous ne sommes pas passés à une phase, si vous voulez, de rédaction du livre blanc en tant que tel. Euh, la raison principale étant que la première édition, euh, de mon point de vue, nous l'avons faite, et c'était fait exprès aussi, hein, de façon euh, parce que c'est la première fois, de façon assez légère. Ce que nous souhaitons faire, c'est qu'au mois de juillet prochain, si vous voulez aller beaucoup plus en profondeur, euh, donc prendre le temps, probablement dès le mois de mars ou avril, nous allons euh, communiquer à ce sujet pour permettre à un maximum de personnes de, euh, de, comment on appelle de participer et puis de venir. Parce que quelque part, pour que ça soit vraiment les recommandations qui ont été recueillies puissent être véritablement utiles, il faut bien que cela soit vulgarisé. Absolument. Donc, donc une fois que donc moi, peut-être pour être plus plus précis, je dirais avant la fin de l'année. Euh, le livre blanc, donc une version en tout cas euh, comestible, mhm. entre guillemets, serait disponible. Bien. Et pour finir, euh, monsieur le directeur général, à votre avis aujourd'hui, quelles sont les voies à suivre pour, pour, pour continuer sur la lancée de la modernisation, puisqu'il s'agit d'un processus, et quels moyens employer oui, euh, euh, ben, pour moi, euh, écoutez, c'est, je l'ai, je l'ai, je l'ai dit, c'est, c'est, un processus, donc il faut continuer sur la lancée. Il faut mettre beaucoup l'accent sur la formation la formation des deux côtés, parce que des fois on a tendance à penser que c'est que les agents de <laughs> l'État qu'il faut former. <laughs> Or, c'est euh, la population aussi, parce qu'il faudrait que la population sache qu'il y a des outils qui sont à leur disposition, qui sont à sa disposition, pardon. Euh, et, et, ça, c'est ça, c'est un. Euh, il faut accélérer la, fourniture de, ces services, surtout au niveau infrastructure, que ce soit au niveau donc, de l'énergie ou bien des, points de présence. Et euh, euh, il faut euh, aussi essayer de, on appelle, de, de rassembler, de continuer de mieux organiser les partenariats que nous avons, parce que je pense qu'il y a encore de l'optimisation que nous pouvons faire à ce niveau pour nous assurer que les différentes ressources dont nous disposons euh, soit utilisé de, de, façon beaucoup plus efficace. Parce qu'aujourd'hui, dans certains cas, et c'est pas de notre... Euh, euh, par, manque de volonté de notre part, mais des fois, certains de nos partenaires préfèrent ou insistent à travailler tout seul. Mmh. Donc, il faudrait qu'on arrive à, les amener aussi à s'ajuster, des fois, c'est pas facile parce que c'est des grands groupes, ils ont mm. leur méthode. Donc, ça, ça, rejoint ce que je disais plus mm. tôt. C'est pas forcément les plus grands qui sont les plus modernes. quel est le défi principal auquel l'ANSI, l'Agence nationale de la société de l'information, compte s'attaquer euh, à court terme ou à moyen terme Nous, notre défi, c'est, euh, écoutez, ce sont nos objectifs. Hein. c'est euh, essentiellement les villages intelligents, qu'on puisse en tout cas, au courant déjà de cette année, commencer à, passer à échelle. Euh, donc ça, c'est notre défi principal, c'est même notre priorité. Mhm. Euh, nous assurons au niveau de l'administration qu'un certain nombre d'outils aussi soient disponibles dès cette année, par exemple au niveau de la messagerie mhm. et puis peut-être au niveau de la gestion du courrier. Mhm. Euh, la mise en place aussi d'un centre de données. Donc ça, c'est des priorités. Et puis, il faudrait qu'on puisse établir cette cité de l'innovation. Euh, en fait, c'est mettre vraiment les, euh, bases ou bien euh, consolider les bases de ces quatre axes dont j'ai parlé, donc qui, qui, qui forment le programme, le plan stratégique Niger 2.0. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur Général de l'Agence nationale pour la société de l'information, Ibrahim Gimba Seydou, d'avoir bien accepté de partager avec nous votre expérience, votre connaissance et votre point de vue par rapport à cette question de modernisation de l'État. Fin du forum de ce soir sur la modernisation de l'État du Niger, pourquoi et quel obstacle Il ressort de cette émission que la modernisation de l'État est un processus qui devrait conduire l'État à trouver les moyens efficients pour travailler avec la plus grande efficacité. Cela en assurant des prestations de services qui soient en parfaite adéquation vis-à-vis de la demande des populations, tout en se faisant guider par l'obligation de résultats qui lui incombe. Surmonter les obstacles de ce processus, dont notamment la grandeur du territoire, la densité faible des populations due à leur dispersion dans l'espace et sans compter l'insuffisance des infrastructures dans certains cas. L'Agence nationale de la Cité de l'information que nous avons invitée ce soir nous a fait savoir qu'elle travaille sur ce processus de modernisation de l'État à travers quatre principaux axes d'intervention, à savoir d'abord l'axe sur les villages intelligents, dont l'objectif est de désenclaver numériquement les villages administratifs du Niger en premier lieu. L'axe du e-gouvernement qui consiste à mettre fin, entre autres, à l'utilisation du papier d'ici à 2028. Il y a l'axe de la création d'une cité d'excellence, de l'innovation et de la technologie qui a pour ambition d'offrir des accompagnements aux start-up et aux petites et moyennes entreprises à travers notamment des formations et enfin l'axe sur l'organisation des journées portes ouvertes le dernier samedi de chaque mois pour faire la promotion du numérique. Nous étions en compagnie de Ibrahim Agimba Seydou, directeur général de l'Agence nationale pour la société de l'information. Pour cette même émission, nous avons également invité le Haut-Commissariat à la modernisation de l'État qui n'a pas pu euh, être avec nous. Présentation à Alassane Kouzi Mohamedou.